Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangu. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Forum de la presse. Trois sujets ont attiré notre attention cette semaine. Tout d'abord, la levée des sanctions de la CDAO contre le Niger imposées au pays au lendemain du coup d'État du 26 juillet 2023. Ensuite, le flux migratoire qui a augmenté de 45% en janvier 2024 par rapport au mois de décembre 2023 selon l'Organisation internationale de la migration OIM. Enfin, le festival d'Oginiska dans Filengue qui se tient à Filengue du 29 février au 3 mars 2024. Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Madame Memouna Diado, journaliste indépendante. Bonsoir Memouna. Bonsoir Nafissa. Abdoulaye Soumana, journaliste indépendant également. Bonsoir. Bonsoir Nafissa. Hussein Issa, journaliste indépendant. Bonsoir. Bonsoir Nafissa. Merci à vous d'être venu. Je suis Nafissa Adam pour à la modération. bonsoir à tous et merci de nous suivre chez vous. Les chefs d'État et de gouvernement de la CDAO et de l'UMOA réunis en session extraordinaire de l'organisation à Abuja au Nigeria ont décidé le samedi 24 février 2024 de la levée des sanctions imposées au Niger à la suite du coup d'État du 26 juillet 2023. Au terme de ce double sommet, le président de la commission de la CDAO, Omar Ali Touré, a annoncé devant la presse locale les frontières et l'espace aérien nigérien seront réouverts, les transactions financières entre les pays de la CDAO et le Niger de nouveau autorisées et les avoirs de l'État nigérien dégelés pour des raisons humanitaires. Selon le président de la Commission, les sanctions individuelles et politiques restent en place sans plus de détails. Et pour rappel, le Niger était sous embargo économique et financier imposé par la CDAO et l'UMOA depuis fin juillet 2023 à la suite du coup d'État mené par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Je commence avec vous, Seynissa. Vous êtes journaliste indépendant. Comment vous appréciez cette décision double de la CDAO et de l'UMOA de lever les sanctions imposées au Niger depuis le 26 juin 2023 Moi, j'ai accueilli cette levée des sanctions avec un grand ouf de soulagement. Il ne faut pas se voiler la face. Les sanctions ont impacté durement les populations vous avez, vécu cet impact également Mais bien évidemment. Mhm. Mais est-ce qu'il y a un Nigérien qui n'a pas <laughs> vécu cet impact-là mhm. On a, D'une manière ou d'une autre, on a vu un peu la flambée des prix des denrées alimentaires liées à la fermeture des frontières, n'est-ce pas mhm. Indépendamment de ça, la rate de l'argent, parce que tout simplement, comment vais-je dire, le système, le mécanisme financier a été paralysé, bloqué, n'est-ce pas mhm, Avec les transactions pas bancaires. Qui... Les transactions bancaires voilà. et tout. Quand vous devez recevoir de l'argent de l'extérieur, vous travaillez par exemple avec une agence ou des choses comme ça, vous n'avez pas votre argent. Ça, inévitablement, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas été impacté. Et en cela, je pense que c'est quand même une bonne chose. Ça fait sept mois qu'on est dans, des, dans une situation difficile. Et quand je regarde un peu les sanctions qui ont été levées, c'est des sanctions qui touchent de manière directe les populations à la base. Hmm. Les sanctions qui ont été maintenues, c'est ces sanctions-là qui visent directement les, les, autorités en place. Quand euh, euh, on a vu systématiquement du côté, en tout cas du Bénin, on a vu que la fermeté a été rouverte, mais on constate que malheureusement au Niger, la frontière reste toujours fermée. Avec le Nigeria. Euh, avec le Nigeria, on dit pour des questions sécuritaires. Mhm, on ne mhm. sait pas combien de temps ça va tenir. Mhm. Mais toujours est-il dit que bon, ça va quand même impacter sur la vie des populations à la base, parce que mhm. tous ceux qui sont riverains de ces pays-là, mhm. les des populations nigériennes et riveraines de ces pays-là, vont, vont, vont sentir ça. Mhm. Le poids de ce refus de lever les sanctions, et comment dirais-je, euh, la, la, levée de, la fermeture des frontières. Mais au on sait que euh, cette levée des sanctions de la CDAO concerne tous les trois pays de l'AES, euh, dont le Niger, le Burkina et le Mali, et on sait que que ces trois pays de l'AES ont quitté, même ont décidé de quitter l'AES le 28 janvier. Mais qu'est-ce que cette décision aujourd'hui vient changer Mais ça change quelque chose parce que nous avons toujours des intérêts avec la CDAO, n'est-ce pas La création de l'AES, on travaille avec le CFA ou non c'est avec le CFA que nous continuons à travailler. C'est des pays qui sont, en, tout cas, avec lesquels nous, nous, commerçons, n'est-ce pas mm. Et quand il y a ces sanctions, ça veut dire que on refuse de voir que ces sanctions, quand même, ont apporté un assouplissement. Moi, j'ai dit, on fait un peu preuve de mauvaise foi. Mm. On a vu, avec la fermeture des deux, grands, pays voisins, le Bénin et comment ça s'appelle le Niger, on a vu, karma, le corridor qui a été mis en place, on a vu la flambée des prix des denrées alimentaires, on a vu l'inflation qui a, je sais pas moi, qui, a, qui a affiché une tendance sociale. Tout cela veut dire que on n'a pas le choix ou on ne peut pas continuer à considérer que on va vivre en autarcie. Personne ne peut vivre en autarcie. C'est une réalité. Dans le monde, personne ne peut vivre en autarcie. Mmh. L'AES, c'est un projet qui est en cours. Ça ne veut pas dire que, parce que tout simplement, on est dans l'AES, les sanctions n'ont aucun impact, ne veulent rien dire. Les sanctions veulent bien dire, la levée des sanctions veut bien dire quelque chose. Mm-hmm. bien que ces, trois pays ne, figurent pas euh, dans la oui, mais tous pays, de la trois pays, tous les trois pays font partie de la CDAO, n'est-ce pas mm-hmm. Le Bénin, et pas le Bénin, plutôt le. Euh, euh, nous sommes pratiquement par rapport aux sanctions qui ont été infligées aux autres pays nous avons été quand même sanctionnés, nous avons eu les sanctions les plus dures. Mhm. Le Mali a eu des sanctions dures, le Burkina, on peut considérer que les sanctions n'ont pas tellement beaucoup affecté. Et l'autre problème que nous avons, c'est que le Burkina peut aller au port de Lomé. Mhm. Nous, nous ne pouvons pas, il faut contourner par le Burkina pour acheminer les mhm. marchandises. Puisque que la frontière peut, Le Mali peut aller jusqu'en Côte d'Ivoire pour prendre des marchandises en Mauritanie, et en Guinée, mhm. n'est-ce pas Toutes ces difficultés-là, ces pays-là ne l'ont pas connu, mais nous l'avons connu de manière très dure, de manière très, très flagrante. C'est en cela, je pense qu'il faut que les gens se réjouissent du fait que la CEDAO soit revenue à des meilleurs sentiments. On a dit, on a quitté, mais ça ne veut pas dire que les relations sont coupées et que c'est l'AES, euh, au sein de l'AES seulement qu'on va travailler. On va continuer à travailler avec ce pays. Et même quand l'AES va se créer, on va continuer à travailler toujours avec ce pays parce que un pays, comme je l'ai dit, ne peut pas vivre en état. Alors, il faut saluer donc cette décision de la CDAO qui vient donc de lever toutes les sanctions imposées au pays. Euh, vous, Memoune Diado, qu'en pensez-vous euh, Je rejoins également ce que Hussein vient de dire à l'instant que c'est vraiment une décision salutaire, et que c'était pas déjà euh, nous avons euh, critiqué la manière dont ces sanctions ont, été, prises euh, contre le peuple nigérien parce que c'est le peuple nigérien qui a été pris en otage ça n'a pas été individuel tout ce qu'ils ont mis comme sanctions c'est vraiment direct à la population mhm. donc il fallait on savait déjà que ces sanctions seront levées mais quand est-ce que ça serait levé c'est ça qu'on ne savait pas mais je pense qu'il y a eu également l'influence, hein, parce que le fait que le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont décidé de quitter la CDAO, donc il fallait trouver aussi une alternative. La mhm. CDAO doit mhm. trouver une alternative pour pouvoir peut-être euh, essayer euh, d'alléger la souffrance donc de ces populations-là. justement pour l'organisation, la levée de ces mesures punitives utilisées jusqu'ici comme euh, levée de pression reflète un changement euh, d'approche visant à améliorer peut-être ou favoriser le dialogue et éviter l'éclatement du bloc. Est-ce qu'on doit s'attendre dans les prochains jours à un dialogue, à, à des négociations entre... du moment que jusqu'à présent, en fait, le Niger, le Burkina Faso et le Mali mhm. continuent d'être, euh, euh, de faire partie de la CDAO, puisque là, le délai, c'est un an. Un an, oui. Donc, je pense que peut-être il y aura des pourparlers, il y aura des discussions, il y aura les, les chefs d'État qui ont déjà mené le dialogue entre le Niger et les autres pays et la CDAO pourront peut-être euh, reverser la situation. Et comme je l'ai dit, c'est pas la CDAO en fait le problème, c'est les textes qui composent la CDAO qui sont aujourd'hui des problèmes mm. et qu'il faut revisiter ces textes-là pour mm. pouvoir les adapter mm-hmm. au contexte actuel, de nos pays. Mm-hmm. Donc, et, vivement que peut-être quand il y aura les changements au niveau donc euh, de certains présidents de, de, ces pays africains, mm. parce que d'autres sont déjà en fin de mandat. Espérons que les autres présidents qui auront, euh, qui seront élus par les peuples africains mm-hmm pourront regarder dans la même direction et pouvoir penser à l'intégration africaine, comme mhm. ça se dit. Et maintenant, moi, je salue ça parce que je dis tout simplement que c'est le peuple nigérien qui a été longtemps, les sept mois-là, qui ont été privés de beaucoup de choses. Mhm, mhm. Quand dans un pays, les médicaments ne peuvent pas rentrer, quand dans un pays la nourriture coûte très cher, quand dans un pays aujourd'hui on a on n'a pas accès total à l'électricité, mais ce sont des facteurs aujourd'hui qui nous permettent aujourd'hui d'aller, en tout cas, euh, de saluer euh, cette décision de la CDAO. Hum, hum, hum. Vraiment, euh, il y a certains Nigériens qui pensent que jusqu'à présent, euh, on n'est pas, on est, nous sommes sortis de la CDAO, euh, qu'on ne devrait pas, oui, oui, qu'on ne devrait pas accepter la <laughs> sanction levée, ça ne veut rien dire. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire parce que, en fait, il faut regarder la situation aujourd'hui précaire, la situation précaire que mhm. traversent les pays africains aujourd'hui. C'est pas seulement le Niger. Les autres pays africains aussi sont dans cette situation. Mhm. Quand vous regardez le Bénin, quand vous regardez le, euh, Nigeria, aujourd'hui, il y a combien de, de, populations de ces, du, Nigeria qui aujourd'hui, par, par cette situation de sanctions, a affecté beaucoup les Nigériens. Et aujourd'hui, surtout ceux qui sont du côté du Nord, qui aujourd'hui sont en train de, se de progresser pour pouvoir rejoindre même le Niger. Le Niger, Donc, vous avez vu la chute de la NERA, mhm. comment ça a fait. Mhm. et, donc, c'est vraiment quelque chose à saluer. Et je pense que les Nigériens, on, nous devons regarder dans la positivité les choses. On dit que c'est deux mains qui se lavent. Une seule main ne peut pas aujourd'hui <laughs> se laver seule. merci, Memouna. Alors, vous, Abdoulaye Soumane, je rappelle que vous êtes journaliste indépendant. quel est votre votre appréciation donc de cette décision double de la CDAO et de l'UMOA de lever ces sanctions infligées au Niger Est-ce salutaire comme l'ont dit vos prédécesseurs Oui, j'abonde dans le même sens que mes deux prédécesseurs. la levée le 24 euh, février dernier des sanctions infligées à la, à notre, de la CDAO, infligées à notre pays surtout, ne peut qu'être que salutaire. Et il n'y a pas de raison à ne pas euh, saluer cette, euh, cette décision des chefs d'État de, de, la de, CDAO dès l'instant où les sanctions ont durement éprouvé la population nigérienne, dès l'instant où les, les médicaments ne passant pas, ne venant pas, n'est-ce pas, il y a eu beaucoup, beaucoup, n'est-ce pas, de morts également enregistrées dans nos mhm. hôpitaux. Mhm. Tout coûte excessivement cher. Maintenant, avec cette levée, quand bien même certains manifestent une certaine indifférence vis-à-vis de ça et que le pouvoir jusque-là n'a pas encore euh, euh, réagi mhm. face à cette euh, levée de, sanctions, mhm. il faut néanmoins se réjouir du fait que bon, c'est vraiment un véritable ouf de soulagement. Mais selon vous, quelles peuvent être les raisons aujourd'hui qui ont amené ces deux, la CDAO, l'UMOA, à lever ces sanctions après sept mois Ils ont du moins elles ont dit dans la CDAO et l'UMOA, surtout la CDAO, que c'est pour des raisons purement humanitaires. Mm. Alors, sept mois après, quand la CDAO estime que c'est pour des raisons humanitaires qu'elle vient euh, euh, lever la batterie des sanctions plus ou moins inhumaines, n'est-ce mm-hmm. pas, contre notre pays, pense que bon, il y a quand même un, quelque chose, un quoi quelque part. Mhm. Mais j'estime également qu'il ne faut pas se leurrer avant, à la veille même de, de cette session, n'est-ce pas, de, de la CDAO. Le médiateur le médiateur euh, togolais Fort a eu à entreprendre euh, des démarches, n'est-ce pas, au niveau de, Patrice Talon du Bénin, au mm-hmm. niveau de, du Nigérian Tinubu, au niveau également de Alassane Ouattara, et peut-être même, je crois même, euh, chez Macky Sall mm-hmm, également. Mm-hmm. Donc, il était parti, n'est-ce pas, plaider pour la levée des sanctions. Mais auparavant, si on revient un peu auparavant, excusez-moi, Madame Nafissa, auparavant, Patrice Talon, Patrice Talon, le président béninois, quand même à fait des sorties médiatiques mhm, euh, mhm. dans, dans lesquelles il a vraiment regretté mhm. et, ces sanctions de la, infligées, ces sanctions de infligées à notre pays et que désormais il pouvait même être un avocat auprès de ses pairs pour pouvoir, n'est-ce pas, euh, parvenir à, lever les sanctions. et c'est ce qui a, été fait euh, à l'épreuve des fonds de la Oui, Maimouna, vous voulez réagir Juste ajouter que aujourd'hui, euh, les, chefs d'État sont aujourd'hui euh, collés au mur, dos au mur, comme on le dit. Mhm. Parce que tout simplement, aujourd'hui, regardez dans la situation où se trouvent les autres pays africains mhm. qui sont membres de la CDAO. Aujourd'hui, au Sénégal, regardez la situation, qui se passe là-bas. En Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire même n'est pas épargnée de la situation. Mhm, Donc, quand on parle, on parle de violation euh, un président qui dit d'abord que les élections ne peuvent pas se faire à la date prévue dans son pays, mhm. c'est déjà une violation. Mhm. Et qu'on pense qu'aujourd'hui des militaires, parce qu'ils ont fait un coup d'État, et on pense les sanctionner. Alors que de l'autre côté, c'est la Constitution en, euh, elle-même ah, qui a été violée. Mhm, Donc je pense que c'est des raisons aussi pour dire à ces chefs d'État, à ces présidents, faites attention, parce que là, vous mettez des sanctions de ce côté, alors que les autres sont en train de violer. Oui, justement, la, Constitution. Parlant toujours de cette situation, hier euh, matin, le directeur régional de la Nigélec Maradi a indiqué à notre correspondant régional que la Nigélec est de nouveau reconnectée à la ligne électrique du Nigeria depuis hier à 19h30. Cela suite donc à cette levée des sanctions de la CDAO. isa euh, quelle est votre action ben, Je dirais c'est toujours dans le même sillage. Mhm. Parce que, comment dire, la déconnexion de la ligne et qui, qui, nous ravitaille en électricité, depuis pratiquement, je crois, le 31 juillet ou le 1er août 2023, mhm. ça a plongé les Nigériens dans le noir. On n'a mhm. pu résister pendant longtemps. On a vu aussi les limites de toutes les installations, l'argent qui a été injecté sous, sous, le régime précédent mhm. pour assurer un peu d'autonomie énergétique à notre mhm. pays. Mhm. On a vu les limites. Aujourd'hui, on est en train de vouloir miser sur Kandaji. Mais en attendant, que faire Parce que quand les gens disent non, on n'a pas besoin. Moi, j'ai dit il faut. Il faut, il faut éviter. Le projet Kandaji n'est pas promoteur selon vous Non, n'est pas que n'est pas promoteur. Il faut éviter, il faut éviter quelque part de passionner souvent certains débats si les gens pensent qu'ils peuvent dormir dans le noir, mhm. mais les petites unités industrielles que nous avons dans ce pays, s'il n'y a pas d'électricité, elles vont fonctionner comment mhm. Elles vont fermer boutique. On peut. Et le dispositif de Gorubanda mais, mais le dispositif a montré ses limites. C'est parce que le dispositif, justement, a montré ses limites qu'on a des coupures. Vous voyez l'explication qui a été donnée. J'ai vu un mhm. communiqué de la qui dit que c'est une panne au niveau mais bien avant cette panne, on a vu un peu les limites. Mhm. C'est quand il y a eu la centrale solaire qui a eu un peu d'accalmie, qui est venue avec ses 30 mégas qui a pu soulager un peu. Donc cette reconnexion était vraiment attendue, elle est nécessaire selon vous aujourd'hui Mais bien évidemment, mhm, mhm. ça ne veut pas dire qu'on va rester de manière permanente parce que c'est les politiques énergétiques qui ont manqué pour qu'on devienne l'autonomisation de notre pays, l'indépendance énergétique. Les gens viennent, ils font des bricolages, ils prennent l'argent, ils bouffent, mhm. n'est-ce pas mhm. Ils vont, ils font des choses qui, sont contre-productives. Par exemple, Gourbanda, quand on voit l'argent qui a été injecté, mhm. on sent que c'est vraiment, pas le souci de vouloir régler le problème, eh, l'accès à l'indépendance, l'autonomie. Mais c'était un contrat qui liait les deux pays, le Nigeria et le Niger, et un contrat, ah, on, un jour, on coupe la ligne électrique. c'était pas, normalement, ça ne devait pas se faire. Toutes les sanctions sont illégales et sauvages. Mm, mm, mm. Toutes les sanctions qui ont été prises, en tout cas, les sanctions, c'est des sanctions qui ne figuraient pas dans les textes, dans les statuts. Alors, pour clôturer, quelle sera la suite vraiment après toutes ces sanctions levées aujourd'hui? Quelle sera euh, la suite? la, suite c'est qu'on continue les sons. On tire le son de ce qu'on a vécu. Mhm. Pas seulement dans le domaine énergétique. Également, l'atteinte, comment dirais-je, la sécurité alimentaire. Mhm. On voit bien ce qu'on produit là. D'une année à l'autre, on parle de culture, comment dirais euh, euh, mhm. culture irriguée, culture irriguée. Mais qu'est-ce qui est en train d'être fait les, les, prochains jours, nous en dirons plus, Mousseni. Merci. Euh, nous allons observer une courte pause. nous entamons la deuxième partie de ce débat dans un rapport publié en janvier par l'Organisation internationale pour les migrants au Niger OIM. On apprend que les flux migratoires ont augmenté de 45% en janvier 2024 par rapport au mois de décembre 2023, soit un peu plus de 300 000 personnes. Parmi eux, 37% sont arrivés dans le pays, 22% se sont déplacés à l'intérieur et 41% ont quitté le pays. Cette croissance de janvier s'explique par les déplacements des migrants à la recherche d'opportunités économiques et des conditions climatiques favorables, explique l'institution. Alors, Abdoulaye, quelle est votre analyse de ces chiffres annoncés par l'OIM Oui, les chiffres sont pour l'OIM des chiffres quelque peu alarmants. Hmm. Dès l'instant où, depuis que on parle de flux migratoire. Oui, le flux, le flux migratoire. Vous n'êtes pas sans savoir que le Niger a abrogé Justement, la loi qui, criminalise, qui criminalisait mhm. donc, euh, les activités, les activités donc, euh, euh, du moins, au mois de, doute, je crois, quand même, il y a eu, selon le rapport que j'ai un peu fouetté, hein, mhm. il y a eu euh, une sorte de, stagnation. Donc, euh, la migration n'avait pas évolué, mhm, mhm. mais l'abrogation est venue, n'est-ce pas, favoriser. Mhm. L'abrogation a favorisé. Par contre, par contre la, la croissance de l'accroissement du flux eh, migratoire. Donc, euh, aujourd'hui, en janvier, l'OIM tire un peu la sonnette d'alarme que ça ne va pas. Là, Et justement, quel est l'impact Quelles, quelles sont les conséquences pour le pays Les conséquences pour euh, notre, notre, notre pays mm-hmm. Un pays de transit un peu de transit, mais ça va également reprendre, les activités économiques euh, vont peut-être euh, reprendre euh, de plus belle au niveau de, dans cette activité en tout cas, mm. au niveau de, d'Agadez, de, la mm. région d'Agadez, je mm-hmm. crois, hein, mm-hmm. où mm-hmm. c'est, ça fait partie d'une grande, c'est un apport important dans l'économie de la région. D'accord, merci. Mais Memouna, un flux migratoire depuis janvier, souligne l'OIM. Alors vous, selon vous, quelles, est, quelles peuvent être les conséquences de ce ah. flux migratoire les... conséquences euh, de ce flux migratoire, c'est que déjà, si euh, tous ces migrants se retrouvent ici à Agadez, euh, il faut d'abord regarder la situation des populations qui sont même à Agadez. Mhm. et ça peut engendrer beaucoup de problèmes euh, d'ordre alimentaire, sécuritaire également. Et voyez, voyez déjà que aujourd'hui, c'est vrai quand on regarde. Euh, c'est surtout le banditisme, euh, en tout cas, qui fait qui fait parler mhm. euh, de lui dans cette zone d'Agadez. Mhm. La zone d'Agadez est quand même aussi confrontée à cette insécurité. Mhm. Donc moi, j'ai trop peur que ces flux migratoires viennent encore s'ajouter à cette situation d'insécurité. Et comme je l'ai dit, il faut d'abord euh, euh, savoir qui et qui rentre dans le pays, qui est qui rentre dans le pays, parce que nous sommes aujourd'hui confrontés à une situation d'insécurité euh, au Niger mhm. et également les pays voisins qui, qui font frontière avec le Niger. Mhm. Donc il faut détecter, il faut savoir qui rentre au Niger il faut également avoir le mécanisme de les prendre en charge. Et c'est ça aussi la grosse difficulté. Mhm. Déjà, nous manquons de moyens euh, pour euh, prendre en charge les, les, populations qui ne sont même pas encore des migrants. Mhm. Et aujourd'hui viennent s'ajouter encore ces migrants. Et voilà la vie qui coûte très cher. Mhm. Donc c'est des, vraiment des conséquences. Et il faut songer à ce que les enfants qui font partie donc de ce flux migratoire aussi mhm. puissent aussi accéder euh, à, l'école. Oui, et à la santé. Selon l'OIM, cette croissance, ce flux migratoire s'explique par les déplacements des migrants qui sont à la recherche d'opportunités économique et des conditions climatiques favorables. Euh, selon vous, Ousseini, euh, la question humanitaire euh, doit être s'interroger sur cette question humanitaire de ces migrants de, leur pays. Que... Oui, mais quand vous regardez un peu un peu l'économie de mhm. tous nos pays africains, quand vous regardez les politiques publiques dans tous nos pays, mhm. quand vous regardez les tissus économiques dans nos pays, qu'est-ce qui fait partir quelqu'un de chez lui mhm. Quand toutes les conditions sont réunies pour qu'ils puissent trouver à manger et à vivre décemment, il va aller chercher quoi ailleurs Les opportunités manquent alors. Les opportunités manquent. C'est ça qui fait que les gens quittent en Afrique. Et c'est lié aux mauvaises politiques publiques. On crie tout le temps, on a des richesses, on a ceci, on a cela. Mais même quand les richesses sont exploitées, les ressources sont exploitées, la dépense est mal faite. On n'investit pas dans l'industrie. On ne crée pas des emplois. Pour les jeunes on, on, on laisse même l'école, il n'y a pas la santé, il n'y a pas l'école, il n'y a rien. Alors, quand la personne voit que dans son propre pays, on ne s'intéresse pas. La personne va aller se chercher ailleurs. C'est ça la situation. Et c'est avec la complicité de ces mêmes organisations, ces mêmes pays occidentaux qui crient les flux migratoires. Parce que c'est eux qui viennent prendre nos richesses mais crée aussi les conditions pour que nos chefs d'État, c'est pas selon moi, c'est des études qui ont démontré. C'est les politiques, c'est ces puissances-là qui nous dictent les politiques à mener. Qui peut vous dire, non vous n'avez pas atteint encore ce niveau pour vous industrialiser. Comme si, bon, il y a atteint un certain, nombre d'années pour s'industrialiser. Ils se sont industrialisés progressivement. Il faut qu'on puisse créer, il faut qu'on puisse avoir des visionnaires dans nos pays. Mais tant que on ne crée pas les conditions pour que les jeunes Reste chez eux, étudie, soit pris en charge sur le plan sanitaire, mhm. trouve des emplois, ça va jamais s'arrêter. Ça va les alerter parce qu'ils considèrent que les gens sont venus les envahir. Mhm. Mais il, faut, créer autant d'opportunités donc à, ces Quand eux, ils euh, viennent prendre nos ressources, les, ressources sont, les ressources épuisables. Ils viennent, ils pillent nos ressources. Ils nous jettent des miettes. Mhm. Et les miettes qu'ils jettent, c'est les dirigeants qui, c'est le pactage. Alors, Qu'est-ce que les jeunes qui, les jeunes qui sont là, ils, vont faire quoi On sait que depuis euh, l'abrogation de cette loi le 27 novembre 2023, la loi qui criminalisait euh, euh, toutes les, tout le business autour de la migration, Agadez avait renoué avec toutes les activités, mais aujourd'hui avec cette alerte de l'OIM qui parle de flux migratoire, il y a un suivi qu'il faut faire pour vraiment toutes ces activités. Mais qui va faire le suivi Il y en a qui ont pris l'argent pour bouffer. C'était dans le cadre d'un projet qu'on a pris cette loi-là pour dire voilà, nous nous allons faire une force, euh, euh, euh, une frontière déplacée de l'Europe. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais si toutes ces organisations ont failli, non, autorités, que le Niger est, un pays de transit aujourd'hui. Mais le Niger a toujours été un pays de transit. Le Niger de tout temps, depuis la nuit des temps, le Niger c'est un pays, un carrefour. Le Niger a toujours été un carrefour. C'est pas aujourd'hui qu'on va venir dire aux gens non, non, non. Mais gens ont profité de cette situation. Tout à l'heure, vous vient de dire quelque chose de pertinent. Hmm. C'est qu'à l'époque, c'était organisé à Agadez. C'était une activité lucrative qui a mené, qui a apporté de l'argent hmm. aux, jeunes, n'est-ce pas Les gens gagnaient. Une seule traversée peut rapporter à quelqu'un 2-3 millions. On vient, on crée, on dit vous arrêtez ou on vous met en prison. Hmm. Mais en même temps, on vous dit non, on va vous mettre vous ah, vous mettez ensemble pour créer des petits projets où on vous finance à hauteur de 150 000 francs. Mhm. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 150 000 mhm. Qu'est-ce qu'on peut faire Quelqu'un qui a l'habitude de manipuler des millions, on, vient du jour au lendemain, on lui dit non, non, non, arrêtez monsieur. Alors que l'accompagnement nécessaire qu'il faut qu'il fallait mettre en place, ça n'a pas été, ça n'a pas été fait. Mhm. Alors qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on veut que ces gens, l'État peut faire quoi Moi j'ai dit, ceux qui s'inquiètent D'abord, quand ces gens, parce que les gens qui vont très loin, nous, ce que nous avons connu comme phénomène, nous avons comme phénomène, c'est la migration saisonnière. Les gens qui vont vers la côte, et puis l'autre phénomène, peut-être qui est un peu déplorable, cest à la mendicité, l'exportation de la mendicité. Ça, mhm. les gens n'aiment pas. Bon, c'est aussi dans quelle région ça se passe et tout mhm, et tout. Mhm, On a tenté, ils ont même mis en place un mécanisme, ça ce n'est pas allé loin. Alors, qu'est-ce que les pays qui, les organismes là, comment ils peuvent faire en sorte que ces gens, parce que le plus souvent, les gens qui veulent aller, c'est un pays de transit. Hein, pour les étrangers, les autres nationalités, quand vous voyez ce qui est en train de se passer à Asamaka, où il ne se passe pas une semaine, deux semaines, sans que les autorités algériennes ne prennent, sans distinction, toutes, les, nationalités, qui viennent au point zéro, mhm. et les gens à pied, ils traversent. Si c'est des gens de nationalité nigérienne, mhm. ils les amènent jusqu'à là à la police d'Assamaka. Alors, c'est nous qui avons signé cet accord-là. Mhm, mhm. C'est le Niger qui allait oui, signer. Les deux pays. il était ministre de l'Intérieur, je me rappelle à l'époque où Bazoum allait signer ça. Mhm. Et les Algériens continuent, malgré les mises en garde. Et Bazoum, personnellement, quand, en tant que dans une interview à Kogda Jeune Afrique, a déploré cette situation, mais n'a pas été en mesure de, de, mettre, fin, de mettre fin à ça. Alors, vous, aujourd'hui, Abdoulaye, face à toute cette situation, euh, comment l'État du Niger doit s'y prendre pour faire face à cette situation aujourd'hui L'État, le CNSP a été clair en abrogant, en abrogant la, loi. C'est mhm. que les intérêts. Mais après l'abrogation, il faut. Les ils ont dit que les intérêts du Niger n'étaient pas pris en compte et que des valeurs euh, morales ont été un peu. Euh, ne cadraient pas avec, euh, avec nos coutumes, quelque chose mhm. comme ça. Donc maintenant, il va falloir revoir le partenariat Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce quel était le contenu, n'est-ce pas, de, mhm. cette, euh, ce partenariat mhm. entre l'État du Niger et l'Union européenne, parce que c'est avec l'Union européenne, je crois que mhm. ça a été, ça a été signé. Donc révisiter le, le partenariat et accorder les violons pour peut-être euh, un nouveau départ. D'accord. Alors nous allons observer une petite pause avant d'entamer la dernière partie de ce débat. Nous parlons culture pour clôturer ce forum de la presse, la septième édition euh, du festival international dénommé dans Danfilengue, du nom d'un cheval autochtone de l'Arewa, imbattable aux courses, s'est ouverte ce 29 février 2024 à Filengue. L'objectif de ce festival est de faire la promotion du patrimoine culturel du terroir à travers des courses hippiques, des activités sportives et des expositions-ventes. À ce propos, je vous propose d'écouter Asman Malamissa il est le président de l'association euh, de Guinisca au micro de notre envoyé spécial euh, Salamat Kadri. Nous rendons grâce à Dieu puisque euh, même cette année, nous avons pu tenir ce festival, ce qui a surpris beaucoup de gens. Et nous avons aussi euh, été agréablement surpris de voir que pratiquement rien n'a changé en termes de la qualité de l'organisation. Le contexte particulier peut-être quand on le voit sous l'angle des différentes fermetures de frontières qu'il a eu, on pouvait se demander est-ce que les Nigériens allaient être là, est-ce que les autres pays allaient être là. Mais par la grâce de Dieu, oh, d'abord on vient de lever euh, la fermeture des frontières, ce qui fait que les éleveurs du Nigeria sont déjà là depuis des jours. Ensuite, nous avons un chef traditionnel du Nigeria qui va arriver demain vendredi, Inch'Allah. Nous avons aussi euh, des éleveurs de, l'Algérie qui sont déjà arrivés. Mais en termes d'invités aussi, peut-être c'est lié aussi à la particularité. Ce matin, nous allons recevoir six ministres. Maintenant, du point de vue de l'organisation pratique, nous attendons presque autant de chevaux que l'année passée et je crois que euh, la fête sera belle. Alors, euh, la fête sera belle. Alors, vous, Memouna, avez-vous d'autres informations à propos de ce festival qui se tient chaque année à euh, Filengue, le festival euh, de Kinska je, je, salue d'abord cette initiative, hein, mhm, mhm. cette initiative vraiment louable. Euh, si chaque euh, département ou nos régions euh, s'y mettaient pour euh, préserver ce qui est culturel, mhm. c'est, ça serait très bien. Aujourd'hui, ça va faire réunir, bien que les frontières ont été fermées, il l'a bien précisé, ça va réunir des, des, pays voisins, mhm. des amateurs donc de ce spectacle, de la course hippique, mhm. qui sont amateurs des chevaux. Donc ça fera également, euh, ça, va harmoniser harmoniser les échanges euh, entre ces deux pays mm-hmm. ou bien ces trois pays qui seront là, mm-hmm. et, euh, consolider aussi la paix, parce que euh, dans, j'ai bien compris que on, ne parle pas seulement de Dokiska, mais il y aura euh, des sous-thèmes mhm. aussi qui seront débattus, qui seront débattus au cours donc euh, euh de, de, ce festival, de ce festival, marge du festival. Mhm. Donc c'est déjà vraiment salutaire et, et c'est de continuer, c'est de continuer vraiment à œuvrer pour que euh, on puisse euh, améliorer petit à petit euh, l'organisation mhm. donc de ce festival et que les autres aussi puisse euh, aller dans le sens euh, mhm. de revenir avec euh, nos cultures, nos cultures traditionnelles, mhm. pour qu'on puisse découvrir à travers nos cultures traditionnelles aussi nos régions, nos pays, nos régions, nos départements, et même nos, nos, villages, nos hameaux. Mhm. C'est très important. Alors, donc, du 29 février au 3 mars, ce sont des, multiples d'activités qui seront au menu, notamment les courses hippiques dont le, le président parlait, aussi une spécificité de la lutte traditionnelle propre à, la région. Abdoulaye, quelle est selon vous l'importance d'un événement culturel pour la localité et pour tout le pays en général L'importance de euh, la culture n'est plus à démontrer dans un, pour un pays, parce que après tout, la culture participe euh, au développement du pays. Alors, Gautin Iska fait référence on peut estimer avec Dokin Iska que nous avons un regard sur euh, la région de, de mhm. Toutes les activités qui s'inscrivent dans le cadre de ce festival qui en est à sa septième, édition. Et il faut également, au passage, il faut remercier les initiateurs. Que depuis 2014 à aujourd'hui, le, festival a pu tenir. Donc c'est un challenge, ce n'est pas du mhm. tout facile. Mhm. Mhm. Alors, ce, ce festival permettra également, à mon sens, de favoriser euh, le tourisme, n'est-ce pas, pour la localité mhm. et le développement à la base, n'est-ce pas, le développement euh, communautaire. Mhm. Voilà. Maintenant, l'un des aspects les plus importants, c'est que je souhaiterais qu'on fasse un zoom spécial sur ce cheval le, c'est, oui, c'est mhm. Dokin Iska qui, depuis, pareil, depuis 1900, 1940, hein, a eu à gagné à toutes, euh, les, toutes, courses. les courses, n'est-ce pas, et aller finir euh, en, Allemagne, mhm. euh, tout ça. Mhm. C'est important qu'on puisse valoriser, n'est-ce pas, euh, l'image, n'est-ce pas, parce que c'est une légende, une mm-hmm, mm-hmm, légende également, mm-hmm. écrire cette euh, légende, n'est-ce pas, sur, euh, sur ce, cheval mythique. Donc l'initiative de ces est à saluer. Euh, Ousseini, en marge de ce festival, soutient également un forum sur le thème rôle et responsabilité de la chefferie traditionnelle dans le renforcement de la collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les communautés en vue de la stabilité stabilité et la cohésion. Alors vous, quelle doit être aujourd'hui l'implication de tous les acteurs concernés pour la paix, la stabilité et la cohésion sociale de la localité qui est menacée d'insécurité, si Bon, il faut dire, hein, c'est pas seulement la localité, c'est pratiquement l'insécurité en train de se généraliser. Hum. Parce que quand on apprend même ces saisies qu'on a eu à faire ces derniers temps, qui visent Niamey, karma, des munitions qu'on devait acheminer à Niamey, on s'est dit que pratiquement la situation est en train de devenir une situation. Oui, ça dit, ce n'est plus les, quand on parle des grandes villes, ça va être, se faire se faire sous forme d'attentat, n'est-ce pas Cette collaboration, c'est pas seulement les chefs de traditionnels ont de tout temps collaboré avec les FDS, mm. parce que même quand les FDS sont en mission, une patrouille, quand ils viennent, ils demandent chez le chef de village. C'est chez le chef de village, ils vont, parce que c'est l'autorité locale. Mm. Parce que c'est quand même reconnu par l'administration publique. Alors, est-ce qu'on a besoin de dire quel rôle ils doivent jouer Ils ont toujours joué ce, rôle consistant à sensibiliser les populations, mm. leur, leur, leur, population respective, mais également prévenir, comment vais-je dire, euh, certaines déviances n'est-ce pas mm. En cela, moi, je me dis, chaque fois quand on dit rôle et responsabilité, tout a été défini, tout a été dit y compris les organismes notamment, même y compris les femmes et les enfants, quand je vois ce que l'UNICEF a fait avec les chefs traditionnels, je me dis vraiment, on répète les mêmes choses, mhm. n'est-ce pas mhm. Maintenant, si je dois m'exprimer un peu par rapport, c'est bien le parcours, cette édition. Oui, le festival, j'allais en venir. Mhm. oui. on est aujourd'hui à la septième édition. Euh, qu'en pensez-vous vraiment de l'évolution de... Bon, moi, de, de, de, mon point de vue, moi, je n'aime pas un peu les festivals localisés. Pourquoi Pourquoi je n'aime pas Ou personnalisés, où on dit c'est une organisation. Parce que le plus souvent, au bout d'un certain temps, ça tombe, ça disparaît. On a vu par exemple Gatan Gatan. C'est devenu quoi aujourd'hui Ça n'existe plus non, Gatan a cessé depuis combien de temps hmm. Depuis combien d'années Parce que tout simplement, il n'y a pas l'accompagnement. C'est peut-être ceux qui sont là, L'accompagnement des L'accompagnement et, la, comment dirais-je, et, puis la volonté d'institutionnaliser. Parce que tant que c'est pas institutionnalisé le plus souvent, regardez, par exemple, le FESPACO est devenu international hmm. parce que ça a été institutionnalisé. Le hmm. CIAO est devenu un festival international parce que tout simplement ça a été institutionnalisé. Partout tous les festivals sont euh, comment ça s'appelle sont institutionnalisés avec l'accompagnement à l'État, avec les, structures et tout, ça peut aller loin. Mhm. Mais quand il s'agit des choses localisées, faut dire, ça va se tenir pendant un bon bout de temps, tant qu'il y a des financements. Mhm. Le jour où les financements vont commencer à tarir, c'est fini, ça tombe à l'eau. cela, on a vu, par exemple, quand il y a eu sous le régime Pointier, il y avait à l'époque sous la semaine de la jeunesse. Ensuite, quand Kunti est arrivé, il a fait le festival national de la jeunesse. On a vu ce que ça a donné tout ce qu'on a comme répertoire en matière de chansons, de chansons et ballets, c'était pendant cette période-là. Mm. C'est des choses comme ça qu'il faut, qu'il faut renforcer, moi, à mon sens. Je dis pas de ne pas faire des festivals localisés, mhm. mais vraiment pour pouvoir aller, loin, et, montrer que la, diversité de la mhm. culture merci, Merci. Donc, au, vu de toutes ces inquiétudes euh, soulevées par Hussein, vous, Memouna, comment mieux valoriser et sauvegarder cet événement culturel et au-delà même euh, tous les événements culturels du pays oui, bon, c'est comme Roussel l'a dit. Donc, euh, au lieu de rester, c'est vrai, localement, euh, il faut diversifier les choses. Il faut également donner la possibilité à d'autres régions de connaître euh, Iska Oui, Iska pour euh, en tout cas avoir euh, été maintenu de, 1940 qui a gagné beaucoup de prix, mhm. mais il faut que aussi d'autres, d'autres enfants, d'autres jeunes de, de la, jeune, la génération doivent savoir au moins cette génération doit savoir au moins l'histoire, mhm. l'histoire de Doki Iska. Mhm. Il faut et pérenniser. oui, c'est comme quand tu prends quelque chose, une histoire qui vient de Terra, euh, il faut transporter cette histoire-là vers euh, Difa, mhm. par exemple, pour que ceux qui sont aussi à Difa puissent connaître l'histoire. Quand, je parle du ballet, par exemple, de Toula ou de quoi là, il faut, c'est une histoire. Il faut que les autres régions aussi soit au même pied d'égalité, de, de, connaissance des histoires de nos patrimoines, de ce qui a été cette région, ce mm. qui a été par, exemple, l'histoire, ça parle de quoi mm-hmm. Les événements. En fait, c'est comme ça. Il faut essayer d'instrumentaliser et, pas instrumentaliser, mais il faut essayer d'institutionnaliser, comme l'a dit, ces fêtes, ces, événements, culturels, mhm. euh, pour que pourquoi ne pas également aller loin de, de, ces événements-là, essayer de créer un musée, mhm. un musée qui va déjà certaines régions en un musée qui va regrouper comme le musée national mhm. ici, mais on peut avoir aussi un musée national qui peut regrouper les patrimoines culturels de toutes les régions. Mhm. et que ça serait vraiment très bien puisque ça peut euh, aussi amener euh, les autres, euh, comme je dis, ça peut être euh, pourrait faire du tourisme, amener, amener, oui, oui, refaire revivre le tourisme. Mhm, mhm, C'est ça, le tourisme ne doit pas s'arrêter seulement à une, oh, deux ou trois régions. non, ça pourrait être quelque chose qui qui serait fait ici, dans la capitale, pourquoi pas à Niamey, avec toutes tous les trucs culturels et qu'on aura la chance, et même nos petits-enfants auront la chance de connaître l'histoire. Alors, Abdoulaye, pour terminer, comment mieux valoriser et sauvegarder l'événement culturel, le festival de Kinska d'Amflingui. comment, hein. comment valoriser non, je crois qu'il faut d'abord institutionnaliser. Hussein vient de le dire, c'est très important. il, Non, il faut, il faut, il faut l'institutionnaliser hmm. et également faire en sorte que ce ne soit plus l'apanage de la seule région de Filingue, hmm. n'est-ce pas, que ça soit un truc euh, d'envergure euh, nationale, même on estime déjà que le festival est international, mhm. étant donné qu'il y a des pays qui viennent avec des compétiteurs, mhm. n'est-ce pas, notamment le, Nigeria. On vient d'écouter le ministre, l'ancien ministre, mhm. euh, le, président de l'association de King Iskan, n'est-ce pas Donc, je crois que c'est extrêmement euh, important. Voilà. Merci. Alors, merci bien. Nous sommes euh, au terme de ce forum. Nos remerciements à nos invités, Memouna journaliste indépendante, Abdoulaye Soumane, journaliste indépendant et Hussein Issa, journaliste indépendant. Merci à vous d'être venu Merci également à vous, chers auditeurs et auditrices de Studio Kalangou, de nous avoir suivis. N'oubliez pas le programme des jeunes le week-end de 17h avec l'actu des jeunes suivi de tous à la FADA et les forums à Hausa les samedis et en Zarma les dimanches à partir de 18h15 minutes. La technique est assurée par Mustapha Iva. Je suis Nefis Adam Sirfa à la modération. Très bon week-end à tous. Au revoir.